20h sur DTV, le journal et ses titres. Le système capitaliste est-il adapté à nos réalités économiques Des économistes sénégalais préconisent la solidarité pour ne pas léser les couches les plus vulnérables. Ils font partie du décor. Les embouteillages indisposent plus d'eux. Les agents de la circulation expérimentent les balises au niveau des grandes artères, une mesure appréciée par les usagers de la route. Insécurité aux alentours du pont de l'émergence, les 100 domiciles fixes siégeant sous l'infrastructure sont indexés. Ces derniers se défendent et lancent un appel au chef de l'État. Et puis jeûner sans se maquiller, un exercice difficile pour pas mal de femmes. Certaines, en revanche, optent pour la sobriété. C'est l'objet du reportage du jour à voir dans cette édition. bonsoir. Quelle stratégie de résistance face au système capitaliste occidental L'économiste Dembe Moussa Dembélé estime que la solidarité entre États africains est la meilleure solution. Cette solidarité poursuit l'économiste sénégalais Momodou Lamine Diallo permet aux couches moyennes de faire face à ce système. Code nous en dit plus. La solidarité à l'épreuve du capitalisme, c'est le thème débattu par les animateurs des samedis de l'économie à majorité économiste. Pour ces intellectuels, seule la résistance commune constitue un frein au capitalisme. La solidarité, c'est ce qui fait nos nations, notamment en Afrique. Le seul truc qui nous reste, les populations qui vivent dans le secteur informel, l'État les abandonne, ils n'existent qu'à travers la solidarité. Et ça, c'est quelque chose de très important et c'est la seule chose qui nous permet de résister à la crise financière, économique, etc. Et donc, elle est très secouée. On a vu différents aspects qui ont été signalés par, les, par le public. Par exemple, des jeunes qui appartiennent, ne s'accompagnent quand, quand appartiennent à la même classe sociale, il y a un certain nombre de... Euh, il y a des populations qui n'ont accès à rien du tout. Et donc, euh, c'est secoué par euh, le capitalisme tel qu'il se déploie à l'heure actuelle. De l'avis de l'économiste Demba Moussa Dembélé, les États sous-développés doivent faire bloc pour une résistance plus efficace face aux multinationales. Ici en Afrique, où nous voyons comment nos pays sont non seulement exploités, mais écrasé par le système dominant. Et comment les multinationales viennent euh, se conduire comme elles veulent, euh, piller nos ressources et repartir. Il ne faut pas accepter d'être écrasé. Il faut résister contre le système euh, autour de nous, mais également que cette résistance doit avoir une ampleur internationale. Parce que c'est un système qui n'est pas confiné à un pays, quand on parle de multinationales, elle appartient à plusieurs pays. Et c'est des entités extrêmement puissantes et la résistance contre ces entités doit être également puissante. Et c'est des résistances au niveau international qui peuvent contribuer à les faire reculer, ou en tout cas à leur faire faire des concessions. Les animateurs de ces activités ont dénoncé l'accaparement des ressources africaines par des multinationales. Ces économistes invitent les États africains à harmoniser les résistances pour faire face à ce phénomène capitaliste. Le collectif euh, Non à une place de l'Europe à Gorée dénonce l'érection de ce site sur l'île. Il fustige avec la dernière énergie cette initiative de la municipalité insulaire. Le porte-parole d'Aude Gueye estime que cette place trahit la mémoire des milliers d'Africains qui ont souffert de la traite négrière. La place de l'Europe sur l'île de Gorée a donné lieu à de nombreuses réactions d'indignation. La dernière vient du collectif qui s'oppose à ce projet porté sur les fonds baptismaux ce groupe pense que cette initiative trahit la mémoire des insulaires. Euh, tant qu'à lui donner un nom, qu'on lui trouve un nom qui ne heurte pas la mémoire de ces millions d'Africains et d'Afro-descendants qui, euh, pour qui Gore symbolise un souvenir traumatique enfoui quelque part dans l'inconscient collectif lié justement à la traite des esclaves perpétrée par l'Europe euh, pendant plus de quatre siècles et qui a vu le déplacement de millions d'Africains. et compagnie ne parle pas le même langage que les autorités municipales de Gorée pour rectifier le tir. Il appelle à une mise en place d'un comité pour veiller sur le patrimoine de cette île. Gorée euh, appartient à ces millions d'Africains euh, euh, pour qui Gorée risque se lier à la symbolique d'un haut lieu de mémoire. Que effectivement la gestion et l'administration de Gorée en tout cas pour ce qui est des questions mémorielles, ne soit plus entre les mains de la municipalité, mais soit géré, nest par une administration spéciale composée de gens, de philosophes, d'historiens, de sociologues, qui connaissent un peu ce que signifie Gorée euh, en tant que symbolique. Non à une place de l'Europe à Gorée. Cri de cœur de ces activistes, Gay et compagnie se penchent déjà sur des stratégies pour faire revenir à la raison des autorités municipales de Gorée. Tout autre chose dans cette édition, lancement de la caravane pour l'enfant scolarisé, une initiative de la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence. Amadi et compagnie ont casté 50 millions de francs CFA pour enrôler 2000 euh, enfants dans la CMU et c'était en présence de Mansoussao. Le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, accueilli en grande pompe par les acteurs de la rencontre des acteurs des mouvements pour l'émergence, un déplacement qui entre dans le cadre de la caravane de solidarité pour l'enfant scolarisé vulnérable. La rampe a ainsi casqué une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour l'enrôlement de 2000 enfants. Ce que nous voulons, c'est tout simplement accompagner des enfants qui sont dans des écoles et qui ont des difficultés pour se prendre en charge. Se prendre en charge sur le plan sanitaire, se prendre en charge sur le plan des moyens scolaires. Ce que nous donnons est, modeste. Mais quand on a peu et qu'on accepte de donner, c'est que demain, quand on a plus, on donnera mieux. C'est ça l'idée. Enrôler dans le pays, à travers le Sénégal, dans chaque département au moins un, un millier de jeunes, enfants scolarisés, donc, avec un projet vulnérable, avec un projet de 50 000 à travers tout le Sénégal. La rampe a choisi de toucher une cible particulièrement importante qui sont les jeunes et les enfants d'une façon générale. Pourquoi les jeunes et les enfants Parce que la santé d'abord et ensuite l'éducation sont des intrants au développement. La deuxième chose, c'est que si nous voulons compter sur un développement durable, il faut agir sur le dividende démographique et ce dividende démographique, il faut compter sur le capital jeune. Le directeur des constructions au ministère de l'Intérieur a saisi cette occasion pour revenir sur les principes de la bonne gouvernance. Des axes prioritaires qui, selon lui, constituent aujourd'hui le soubassement de la gouvernance du président Macky Sall. Quel que soit l'effort qu'on fera pour construire l'économie, si elle est mal tenue, si on détourne l'argent et on ne veut pas qu'on punisse ce qui ont détourné, si on fait du n'importe quoi avec le bien public, on n'arrivera à rien. Donc il faut une bonne gouvernance, il faut une bonne tenue des richesses de ce pays-là. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Après le département de Dakar, la caravane compte sillonner la banlieue et les autres régions du pays. Objectif, mettre en pratique la vision du chef de l'État dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ces chiffres dans cette édition, sachez que plus de 50% de la population sénégalaise bénéficie de la couverture maladie universelle. Déclaration du directeur général de la CMU selon Bokar Mamadou Daf. Notre pays est cité en exemple en matière de couverture maladie universelle et réagit au micro de Mansour. En 3 ans, 4 ans, un pays qui passe de 20% de taux de couverture en matière d'assurance maladie à 50%, c'est exceptionnel. Je crois que nous, au Sénégal, c'est normal qu'on continue à parler, à exiger des choses. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Et c'est ça qui est le stimulant. Mais il faut qu'on reconnaisse que sur l'ensemble de l'Afrique, notre modèle est un modèle unique. Nos résultats sont très importants les ressources qui sont mises à, la disposition des populations sont sans précédent. Le Sénégal est dans la très bonne situation. C'est dans la meilleure des situations qu'il faut. comparer au reste de l'Afrique, nous sommes les champions. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que tous les jours nous avons des visiteurs qui viennent voir un peu ce que nous sommes en train de faire et apprendre de ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela d'ailleurs que les partenaires extérieurs envisagent de créer une école sur la couverture maladie universelle, sur l'assurance maladie au Sénégal de sorte que tous les acteurs de la sous-région puissent venir s'inspirer d'ici et pouvoir aller de l'avant. Entrepreneuriat féminin, la couverture, la convergence citoyenne pour le développement de Fundune octroie un financement de 15 millions aux associations féminines de la localité, une initiative qui entre dans le cadre de l'autonomisation des femmes. À Fundune, nous retrouvons notre correspondant sur place, par Malik Fall. De France CFA, la ronde des sommes financées aux différentes associations féminines établies dans le département de Fundune. L'initiative est celle de la COSIDEF, autrement dit la Convergence citoyenne pour le développement de Founyoun. L'objectif visé à travers cette opération, participer à l'autonomisation de ces femmes. Cette cérémonie aujourd'hui avait pour but de, de, financer des groupements de femmes et des associations de jeunes. On s'est dit qu'on devait aider ces femmes, ces jeunes, euh, autour de petites activités économiques pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes par rapport à leurs besoins, par rapport aux besoins aussi de leurs femmes, de leurs enfants, surtout en ce qui concerne les femmes. Avec ces financements, ces femmes vont s'activer dans différents projets qui leur permettront de subvenir à leurs besoins personnels. Bon, disons qu'il y a 299 bénéficiaires euh, je pense que le plus petit montant qui a été octroyé s'élève à 100 000 francs. Bon, mais on les a financés chacun selon leurs euh, besoins, selon leurs demandes. Donc c'est un peu ça. Bon, ça va de 100 000 à 500 000, je pense. Une initiative vivement saluée par cette bénéficiaire. C'est une initiative qui n'est pas récente c'est quelque chose qu'on peut dater de très longtemps. Parce que Thier a beaucoup fait à Tout ce qu'il a fait, on ne peut pas tout exprimer, tout dire comme ça. Au total, 299 femmes ont bénéficié de ces financements. L'occasion pour certaines d'entre elles de faire parler leur talent. Circulation à Dakar, elle est infernale à certaines heures. Les embouteillages monstres sont passés par là. Ces situations poussent policiers et gendarmes à installer des balises. Est-ce une bonne stratégie Réponse dans cet élément d'Abdoulaye Ndiaye. Le réseau routier est dense au Sénégal et plus particulièrement à Dakar, qui plus est, les routes sont étroites cette situation crée des embouteillages monstres dans de nombreux axes stratégiques de la capitale, ce qui pousse les policiers à installer des balises allant jusqu'à autoriser les véhicules à circuler dans le sens inverse. C'est une bonne méthode que nous saluons car elle nous arrange. Elle permet de régler la circulation. C'est vraiment formidable. Nous les remercions beaucoup pour ce travail. Il suffit de vous rendre à Koloban. Il est très difficile de circuler à partir de 17h. On note vraiment un manque d'organisation. Les embouteillages sont indescriptibles. dem Thiaroye xat na trop dëkk bi xat na kenn xamul lan la xamul xamul koor gi moo tax Taximan carapide et véhicules particuliers, personne ne veut céder le passage. Cette situation s'expliquerait par l'indiscipline et le manque de tolérance de certains chauffeurs. C'est vrai, ce n'est pas normal. Mais comme vous le savez, le taximan ne cherche que l'accès libre, même le sens interdit. Tous les chauffeurs ne sont pas les mêmes. Si certains peuvent céder le passage, d'autres ne le font pas. C'est un problème de comportement, mais normalement, sans policier, la circulation peut être fluide. Oui, c'est vrai, la faute incombe au conducteur, mais malheureusement, il y a un mauvais comportement chez certains. Il y a des chauffeurs mal formés qui nous fréquentent également. Ces embouteillages sont causés par l'indiscipline des chauffeurs. S'il y avait une organisation, un problème d'embouteillage ne se poserait pas. Circuler à Dakar, surtout en ce moment béni de Ramadan, relève du parcours du combattant. Policiers, gendarmes et ASP sont placés sur certains axes pour réguler la circulation et atténuer le martyr des usagers. Direction l'AIBD, la société anonyme sénégalaise a effectué euh, une visite de courtoisie euh, à la gouvernance de la ville de Kies. Le directeur euh, général de l'AS est revenu sur les avantages de l'infrastructure. Il soutient qu'elle sera très bénéfique pour les Thiessois en matière d'emploi et d'éducation. Xavier Marie réagit au micro de le Chandoma. Je suis accompagné de notre secrétaire général et des principaux responsables en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et euh, la sûreté. Et donc, ça nous a permis euh, d'échanger avec le gouverneur sur euh, les attentes respectives et puis de donner les grandes orientations à ce que nous voulons faire dans l'avenir pour l'aéroport, pour les populations qui l'entourent, pour le territoire et donc il nous semble logique de, travailler ensemble. Eh bien, nous avons euh, lancé notre programme, euh, notre première, euh, enfin, les balbutiements ou le, démarrage de notre politique RSE. Donc après avoir rencontré Monsieur le Gouverneur, nous serons en mesure d'aller rencontrer les représentants des, villages alentours et donc nous allons axer nos actions sur l'emploi. Donc de manière à ce que les gens alentours soient les premiers avertis lorsqu'il y aura des, des offres d'emploi. Nous avons travaillé aussi avec eux sur tout ce qui est environnemental. Et puis euh, nous allons euh, euh, travailler aussi pour apporter un soutien sur certains domaines dans lesquels il pourrait avoir besoin de, l'aéroport. L'aide aussi, donc nous verrons, nous allons, c'est un peu prématuré pour, répondre, mais nous allons travailler avec les maires des communes concernées sur ces sujets. Euh, soutien, euh, emploi, éducation. Je ne peux pas, pas aujourd'hui me, prononcer avec précision, mais nous verrons avec eux de quoi, de quoi il en ressort, de quels sont leurs besoins, de manière à cibler et de planifier aussi, car on pourra pas, on va pas, la RSE, c'est pas reconstruire un village à côté. Le pont de l'émergence, je vous l'annonçais en titre, est parfois théâtre d'agressions et de vols. Des de missiles fixes siégeant sous l'infrastructure sont pointés du doigt. Les mises en cause réfutent cette étiquette. Ils lancent un appel au chef de l'État pour qu'il les aide à sortir de cette situation. C'est un dossier d'El Haj Moussa

Il vient fréquenter comme beaucoup de ses camarades L'établi situé à quelques mètres du pont et qui s'active dans la vente de fruits saisonniers. Ils viennent ici à la recherche de nourriture. Souvent, ils viennent commander des mangues, mais ils ne font rien de mal. Nous n'avons aucun problème avec eux. La plupart sont des enfants qui fuient de leur dara et viennent vivre sous le pont avec leurs aînés. Dans leur planque qui juxtapose le pont de l'émergence, les jeunes Fakman ne passent pas inaperçus. Ce taximan qui habite la zone les indexe comme étant les principaux auteurs des agressions des vols dans les parages. Quand vous êtes arrivé dans la capitale et vous empruntez le secteur, ils viennent à votre chevet. Soi-disant, vous aider à vous tenir les bagages pour vous les voler. Ils ont toujours failli casser mon véhicule parce que j'ai pris un vieux au moment où ils voulaient l'agresser. Ces accusations, Gorgorlou les nie en bloc et défend ses camarades. Il est vrai que nous nous droguons, mais nous n'agressons personne. Mes camarades et moi avons des occupations. Certains sont des conducteurs de charrettes, de toute d'ordures. c'est que moi la bonne affaire ni ñu fu bëri am na ñoo xam ne ñëpp du sàcc mais ñuy sàcc ñoo ñëw dugg si. toujours ça donne au vol et après celui que l'on taxe d'être les auteurs ceux parmi nous qui volaient ont été arrêtés. ñu ko def jàpp nañ leen. Ces vendeuses de la zone confient toutefois servir de confidente à ces jeunes drogués. Je les conseille souvent de regagner leur demeure car la vie qu'ils mènent ici est très Elle Elles plaident d'ailleurs à leur faveur.

Je suis pourtant pour un centre d'incubation. Cela pourrait nous permettre de sortir de cette débauche. Si Makissal le fait, nous lui serons gré. Les autorités locales sont également interpellées à trouver une solution à l'insécurité qui sévit aux alentours du pont de l'émergence dans la commune de Padoua. Nos tentatives pour joindre l'édile de la localité sont restées vaines. Regard sur le rétroviseur. Quelle similitude entre la crise universitaire actuelle et les événements de mai 68 Cette question euh, préoccupe l'auteur Omar Gueye. Il met en exergue le paiement des bourses qui jusqu'à présent euh, gangrènent le système universitaire. Yamakoli de mai 68 aurait un rapport avec celui de l'étudiant Fallocène. Ce livre intitulé Mai 1968 au Sénégal, Senghor, face aux étudiants et au mouvement syndical, est un livre qui narre des événements sur les revendications des bourses des étudiants à cette époque et la lutte syndicale. C'est d'abord un travail que j'ai soutenu comme thèse à Amsterdam. Et quand il fallait passer au livre maintenant, on a précisé donc, euh, le rôle des étudiants donc, qui ont joué, qui ont été un, élément déclencheur dans la crise. Donc c'est pourquoi on a spécifié Senghor face aux étudiants et au mouvement syndical. Donc ça veut dire que de façon générale, nous avons toujours euh, dans la scénographie la question des bourses qui s'est posée et toujours dans la même scénographie les forces de l'ordre qui sont intervenues au campus et toujours dans la même scénographie aussi des affrontements et aussi, toujours comme en 68, donc 50 ans après, c'est toujours mort d'homme professeur en histoire, Omar Gueye, est revenu C'est l'histoire de mai 68. Euh, bon, je ne sais pas si l'histoire se répète, mais elle bégaye. Hein parce qu'on a à peu près les mêmes causes qu'en 1968. C'était la question des bourses, même si euh, la question ne s'est pas posée de la même façon. En 1968, c'était euh, la réduction du taux de bourse. On a voulu faire face à l'arrivée massive des étudiants. Donc, il fallait donner la chance à tous les étudiants d'avoir une bourse. Donc on avait décidé de, de, réduire le taux de la bourse en passant de la bourse entière aux trois quarts et, <laughs> et à la moitié. Ça, c'était la première mesure. La deuxième mesure, c'était de réduire les mensualités. En mai 1968, le Sénégal était secoué par les grèves des étudiants, une nette ressemblance avec les derniers événements qui ont causé la mort de Faloucène, les pères dominicains ont joué un rôle important dans l'église Saint-Dominique où était le lieu de refuge des étudiants à cette époque. La crise universitaire actuelle rappelle à Céline Mansour Si Gamil, euh, mai 68, il lance un appel au gouvernement pour qu'il trouve un terrain d'entente avec les étudiants. Il réagit au micro de que Nous sommes de la génération de mai 68. Nous étions sur les barricades, nous avons effectué les mêmes marches il y a 50 ans, de cela un demi-siècle. Et euh, j'ai trouvé qu'ils ont célébré d'une manière tout à fait courageuse et héroïque ce qui s'est passé en 1968. Mais par contre, je trouve que Macky Sall a célébré d'une manière tragique ce que nous, nous avons vécu en 1968. Les étudiants, ils l'ont compris sur l'étendue du territoire, avec euh, une coordination magnifique, dans la rigueur et dans la discipline. Les étudiants ont exprimé leur indignation par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Louis et leur solidarité par rapport à leur camarade euh, Cette notion euh, de justice qui a été violée en 1968 et qui est en train d'être violée aujourd'hui, c'est ça qui cimente la solidarité avec cette génération d'hier, il y a un demi-siècle, et la génération d'aujourd'hui. On en vient à notre reportage Ramadan. La sobriété est au rendez-vous chez bon nombre de femmes. Pas de maquillage pour ne pas attirer l'attention, mais cette règle n'est pas générale. Il est inimaginable pour certaines femmes de sortir euh, sans se maquiller. Ayaranya nous en dit plus. Make-up ou maquillage laissé en rade par ces bonnes dames en ce mois béni de Ramadan. Pour elles, ce n'est pas préférable d'attirer l'attention. Moi, je me sens faible quand je jeûne, raison pour laquelle je me soucie même pas de mon maquillage et autres. En plus, c'est interdit de faire quelque chose qui permet aux autres de te regarder, d'autant plus que nous sommes dans un mois béni du Ramadan si c'est le crayon poudre, je pense que c'est pas trop méchant, car chacune veut se faire belle devant son mari. Ce qu'on interdit, c'est de faire des lips qui entachent le gens. Par contre, d'autres estiment euh, que le maquillage ne peut en aucun cas entacher leur jeûne. C'est des paroles en l'air, car le jeûne est beaucoup plus que cela. Ce n'est pas le visage même. Le bon Dieu, grâce à qui nous jeûnons, aime la beauté. Alors nous devons lui rendre cela. Il faut nettoyer un peu pour atténuer la peau grasse ça fait partie de la religion, c'est pas interdit. Et aussi, il faut faire plaisir à son époux. Selon Stas Babakar de la radio Dunia, l'islam interdit toute chose qui permet de se faire voir par autrui. Les euh, l'ellipse et toutes les choses euh, que vous euh, utilisez pour votre visage, si cela peut vous diminuer, c'est mieux mais ce que vous mettez dans les lèvres, s'il a le monde et que dans la bouche, euh, c'est fini euh, pour le jeunes. Si tu fais des choses qui attirent le regard des autres, euh, tu entaches ton jeune. c'est des autres